forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou. 18h passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Les émissions du Studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires disséminées un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum d'abord avec cette opération musclée de déguerpissement menée ce matin par la ville de Niamey et sur la traversée du marché Katakou sur le boulevard de l'indépendance. Ensuite, nous parlerons de la signature hier à Niamey d'un document d'entente entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme euh, du 14 juin euh, du 14 juin euh, du Nord au Mali et le gouvernement du Niger à travers la réaction d'un ex-combattant. Puis le bilan de la mission ECAP Sahel à Niger, l'organisation du BAC 2016 et enfin la loi déterminant les modalités d'application des normes techniques pour l'aménagement des pistes de transhumance. Monsieur dames, rebonsoir. L'opération de déguerpissement annoncée par le ministère de l'équipement sur le boulevard de l'indépendance sur euh, la traverse du marché Katako à Niamey a commencé ce matin aux environs de 2 heures du matin. Elle entre dans le cadre du projet de construction de l'échangeur Gyori Hamani de Niamey. Hier, vous avez pu entendre dans notre journal des commerçants dire leur incompréhension et leur colère. Ce soir, Adam Abdou, directeur général des services techniques municipaux, affirme que cette opération a été faite dans les règles de l'art et en ce sens que les occupants ont été informés il y a un mois de cela par les autorités municipales Niamey 2 à travers une rencontre avec ces derniers. Adam Abdou 2 GST Niamey au micro de Adama Dawaki. L'opération a été déclenchée depuis hier nuit à 2 heures du matin. C'est une opération qui vise à enclencher les travaux de construction de l'échangeur Diori Hamani, le troisième échangeur de la ville de Niamey, dont vous savez que la cérémonie de lancement a déjà eu lieu près de un an déjà par son Excellence Issoufou Mamoudou, le président de la République. Il s'agissait pour nous, à travers cette action, de démontrer en tout cas aux occupants des espaces qui ont été déjà identifiés et qui devront en tout cas être dégagés en vue d'installer le chantier que les travaux ne peuvent pas attendre. Vous pouvez déjà constater que la base vie est fonctionnelle depuis quelques mois et l'ensemble des matériaux et des engins sont stationnés au niveau de cette base vie. Il ne restait plus qu'à libérer le site et nous avons fait une libération graduelle. Graduelle, cela veut dire que au lieu de dégager l'ensemble du tronçon, nous avons eh, pris un premier tronçon où les travaux vont commencer, qui est un tronçon qui n'est pas très long. Nous avons déjà discuter avec l'ensemble des occupants de cette zone-là depuis déjà plus d'un mois. Mais vous savez que chaque fois que nous faisons des injonctions, il y a toujours euh, des occupants qui pensent que ça peut attendre tant qu'ils ne voient pas les engins de la mairie ou les engins en tout cas venir commencer les démolitions pour démarrer les travaux, ils vont toujours croire qu'ils peuvent rester. Donc nous avions dit que ce dilatoire-là ne peut pas perdurer. Ce dilatoire-là ne rime pas avec l'efficacité dans la mesure où l'entreprise a déjà eu son ordre de service et il est donc euh, de notre devoir de mettre le site à la disposition de l'entreprise. Nous l'avions fait en tout cas dans les règles de l'art puisque nous avons fait des sommations, nous avons utilisé les services d'un huissier qui a averti l'ensemble des occupants de ce site-là. Est-ce qu'un site a été aménagé pour ces commerçants Il y a eu des discussions hein, qui ont eu lieu, des débats, des échanges qui ont eu lieu entre ces commerçants et les responsables communaux. Et nous leur avons suggéré d'occuper déjà les, marchés existants, notamment le marché Boncané, le marché de Bukoti, et une série de marchés qui sont là, qui disposent de places pour accueillir ces commerçants. Si vous partez sur le terrain, il s'agit d'une petite portion, en tout cas qui a été déjà qui a été dégagée. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Mais dans la mesure où souvent les occupants de ces espaces-là attendent toujours le, le dernier moment où insiste pour penser que le projet n'aura pas lieu. Or, c'est un projet dont les contours sont clairs. On ne peut pas dire que c'est une chimère. De ce point de vue, nous ne pouvons pas attendre, en tout cas, leur bon vouloir ou leur dilatoire. Nous avons donc procédé à un dégarpissement. Et vous avez déjà constaté que la plupart des voies d'accès des voies de contournement ont été aménagées est vraiment très bien aménagé. Il y a même la construction de l'engement de Guntiena au niveau donc de, de Sonep. Par rapport à ce l'engement de Guntiena, paraît-il que les travaux ne sont pas encore finis Non, les travaux ne sont pas finis, mais les travaux sont très avancés. Et raison pour laquelle on n'a pas fermé la totalité du tronçon. Donc on est en train d'aller graduellement. Et le niveau d'avancement des travaux, des voies de contournement, rime avec l'espace qu'on a actuellement dégagé. Donc je pense qu'il faut être clair, on ne va pas attendre que tout soit fini pour engager la construction même de l'échangeur. Il y a l'école Djuri 1 et 2 et il y a les lycées cassés. Est-ce que ces écoles-là vont être touchées C'est vrai, il est prévu de toucher à euh, certains de ces établissements en termes de murs de clôture et peut-être même de salles de classe. Mais comme j'ai dit, il y a une étude complète qui a été faite. Et dans cette étude complète, toutes les mesures d'atténuation, d'accompagnement, de compensation ont été faites. Il va y avoir des construction de salles de classe à été de construction de, bâtiments dans ces écoles-là pour compenser en tout cas les pertes qui ont eu lieu. Au final, en tout cas, le bénéfice va être plus important que les, inconvénients ou les impacts négatifs. On ne construit pas une ville sans un minimum de sacrifices. Dès qu'il y a un chantier, même chez soi, tu dois accepter les désagréments de ces travaux-là. Je crois que c'est la même chose. Il est surtout bon que l'échange, la main souvent que nous tendons parfois à nos populations, que cette main soit qu'on l'attrape dès les premiers instants parce que souvent, si nous, nous sommes amenés à faire des actions que certains pensent qu'un peu musclées, c'est parce que parfois, dans le dialogue, il y a certains qui hésitent à prendre la main tendue. Il y a certains qui hésitent à croire que, à travers le dialogue, mais vraiment déjà avec Katako, je peux remercier beaucoup des occupants qui ont spontanément accepté de dégager leurs effets, qui ont même sensibilisé certains de leurs collègues. Je crois vraiment que c'est un bon signe du démarrage de, de ces chantiers-là. Merci, Monsieur Adam. Merci bien. C'était là Adama Abdou, directeur général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey, interrogé par Adama Dawaki. La suite de ce forum du studio Kalangou, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin malien ont signé hier à Niamey un document d'entente dénommé Déclaration dite de Niamey sous la médiation du Premier ministre Brigitte Raffini pour le retour de la sérénité à Kidal et Nelor, Mali en général. Une initiative saluée par Kausen Omega, ex-combattant nigérien. Kausen Omega, bonjour bonjour. Vous êtes un ex-maquisard. Hier, euh, les forces rebelles maliennes ont signé une déclaration dite de Niamey. Quelle est la portée de cet accord merci de vous intéresser à cette question géopolitique et même géostratégique parce que euh, la question de Lazare, le problème qui sévit dans le nord du Mali, est une question qui dépasse largement les frontières du Mali parce qu'elle euh, s'intègre dans la bande sahélo-saharienne, dans la géopolitique sahélo-saharienne, donc elle nous implique directement. On salue cet accord-là qui a été signé par les acteurs de la crise malienne avec euh, l'aide du Premier ministre. Donc c'est l'occasion pour moi de saluer cet homme qui est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a vraiment usé de son aura, parce que c'est quelqu'un quand même qui a une aura positive dans, en tout ce qui concerne la médiation, pour pouvoir amener les acteurs maliens à Niamey pour euh, signer cet accord-là. Mais la portée de cet accord est certainement d'abord locale, c'est-à-dire qu'elle euh, va d'abord impliquer seulement les mouvements, parce que à ce que je sache, ce que j'ai vu sur euh, Internet, j'ai une copie de l'accord. Il ne s'agit pas du gouvernement, il s'agit juste des acteurs, la plateforme et des mouvements armés pour pouvoir s'entendre sur la gestion de Kidal et certainement euh, sur d'autres choses environnantes euh, de la région de, Kidal. Mais ce n'est pas un accord, jusque-là en tout cas à ma connaissance, qui implique le gouvernement malien et c'est en cela qu'il y a un hiatus, il y a un petit hic et c'est un questionnement qu'on se fait en espérant que cet engagement qui a été pris par le mouvement va aussi engager le, gouvernement malien. En tout cas, on salue l'accord et on espère que ça aura une portée en tout cas positive sur euh, la région de Kidal. Il y a un petit hic, c'est quoi ce hic Oui, le hic, c'est comme je dis, c'est-à-dire on a réuni les mouvements entre eux, c'est-à-dire c'est la plateforme et les autres mouvements armés de la CMA CUIA, ceux qui sont réunis à Niamey, n'est-ce pas, en présence euh, des membres du cabinet du PM et certainement quelques personnalités. En tout cas, on n'a pas été impliqué à cela. Donc, ce que nous avons eu comme lecture, c'est simplement que c'est seulement, les mouvements qui ont été impliqués. On est surpris simplement que le gouvernement malien n'ait pas pris part pour parler, pour donner un cachet national et donc donner une légitimité et une légalité à cet accord entre les mouvements. C'est juste ça, quoi, qui est un peu gênant, parce que le Niger est un qui a quand même des relations séculaires avec le Mali. Ils auraient pu utiliser ces relations-là pour faire venir un représentant de l'État malien. D'ailleurs, il y a même un ministre qui est dédié à cette tâche-là pour qu'ils viennent, même si c'est de façon euh, juste en tant qu'observateur, pour pouvoir participer à, à ça. Mais tout ce qu'on a vu comme euh, le panel des participants au niveau national du, Niger n'a pas impliqué des personnalités qui connaissent ou qui maîtrisent la question euh, de la géopolitique sahélo-saharienne. Mais l'essentiel, c'est que c'est le gouvernement nigérien qui s'est impliqué à travers son premier ministre, Brigitte Raffini, et c'est salutaire. Mais il faut toujours se poser, se poser la question pourquoi le Mali, en tant qu'État, n'a pas participé à cela. quelle est la différence entre la déclaration déclaration dite de Niamey et les accords de paix signés en Algérie c'est pas la même chose. C'est-à-dire là, euh, la déclaration de Niamey, celle qui s'est passée hier nuit là, c'est entre les mouvements entre eux. Donc c'est pas un accord de paix. C'est juste une sorte d'entente, certainement de non-agression, juste pour un peu faire euh, calmer, baisser la tension entre ces mouvements là. Parce que Kidal maintenant, vous savez bien que depuis quelques temps, le général Gamou est venu s'installer à Kidal. Il a installé deux checkpoints là-bas. Il a pu euh, enlever un d'entre eux. Et donc ils veulent un peu semer un peu la discorde en s'installant à Kidal qui était géré à la base par le MNA et le CIA. Donc c'est cela qui a poussé, euh, c'est peut-être que c'est le Mali qui a demandé, hein. je ne sais, suis pas dans le secret <laughs> de cette affaire-là, mais ce qu'on voit, ce sont les mouvements qui sont venus à Niamey. Par contre, les accords de paix du Niger, tous les accords de paix, c'est des accords qui ont euh, associé l'État du Niger et les différents mouvements, et entre les deux, parce que ce sont eux les belligérants, entre les deux, il y a toujours des médiateurs. Tantôt c'est la France, le Burkina, l'Algérie, n'est-ce pas Et l'Union africaine ou le Sensad pour la dernière rébellion. Donc c'est un peu ça la différence. n'est pas un accord de paix, c'est un traité entre des groupes. D'un côté, un groupe qui est composé du CMA et de la CIA, n'est-ce pas Et l'autre côté, la plateforme que vous connaissez, le général Gamou et puis les autres milices euh, d'autodéfense. Quelle est la conséquence de la signature de la déclaration d'études s'il y a une conséquence positive qu'on peut espérer, c'est que sur le terrain, les mouvements euh, qui est un apaisement, que les mouvements arrivent à, se décider à s'entendre, c'est-à-dire sur la gestion de Kidal, euh, qu'il n'y ait pas d'affrontement, euh, parce que vous savez qu'à Kidal, il y a tous ces mouvements-là, plus aussi l'amunissement, plus Barkhane, et voilà quoi. Donc c'est un vrai brasier qu'il faut à tout prix essayer de contenir, parce que le contenir, c'est une chose, mais aussi gérer cette ville avec tous ces mouvements et aussi une autre chose, parce que vraiment, la plateforme est, venue mettre de l'huile sur le feu, parce qu'on ne va pas passer qu'elle fait à, Kidal, parce que Kidal, pendant tout le conflit jusqu'à peu les accords, euh, était géré par les mouvements qu'on connaît, la CMA et la CIA. On ne voit pas pourquoi est-ce que le mouvement de la plateforme vient s'installer à Kidal. C'est juste un problème en plus à gérer par la et Barkhane. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce, ce, traité-là entre les mouvements puisse amener, baisser d'abord la tension et faire qu'ils s'entendent. Moi, ce qui me, me, surprend, c'est que ce n'est pas le premier accord entre ces mouvements-là. Depuis quelques, euh, même presque un an, le général Gamou et les dignitaires de Kidal ont signé des accords, des ententes mais ça n'a pas servi à grand chose. Donc moi, je, me dis que c'est juste, euh, c'est pas inutile, mais c'est surprenant de voir que les mêmes personnes qui ont signé des ententes reviennent à Niamey encore pour autre chose. On, on attend voir si c'est la dernière fois, que ce soit la bonne. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Euh, mais on salue quand même l'effort du, gouvernement à travers le Premier ministre qui a pu permettre à ces mouvements de faire euh, baisser la tension de façon provisoire à Kidal. Mega, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'électricité dans l'heure du moment où Haji Gamou n'est pas concerné par euh, la déclaration d'études de Niamey Dans tous les cas, le fait d'être à Niamey, ça veut dire qu'il y avait l'électricité dans l'air. Et Gamou n'était pas là, c'est vrai. L'un des responsables de la, de la CMA Suya Al-Khubaz était là. Et la plateforme, c'est un autre monsieur qui n'est pas Gamou, effectivement, qui a fait signer cette entente-là. C'était la Kausen Mega, ex-combattant du MNJ, qui a, qui a déjà signé des accords de paix avec le gouvernement nigérien. Autre aspect de ce forum du studio Kalangou, nous revenons cette semaine sur la mission civile des Cap Sahel à euh, Niger de l'Union européenne au Niger. Cette mission, je vous le rappelle, apporte un soutien aux autorités nigériennes dans le renforcement de leur dispositif par le biais du conseil et de formation. La semaine dernière, notre invité était Philippe de Sénic, chef de mission des Cap Sahel à Niger. Euh, cette semaine un autre regard, celui de l'acteur de la société civile nigérienne Moussa Tiangari. Moussa Tiangari, bonjour. Bonjour. La mission ECAP Sahel Niger a 4 ans au Niger. Selon vous, quel bilan pouvez-vous tirer de cette mission ici au Niger c'est une mission qui a pour objectif de contribuer au renforcement un peu de la capacité euh, du pays en matière euh, de défense euh, et de sécurité. C'est une mission d'assistance, mais comme on le sait. Depuis que la mission est là, ça fait pratiquement 4 ans. la mission est ici, elle est également dans d'autres pays du Sahel, y compris au Mali. Ce qu'on peut voir, c'est que la situation ne s'est pas globalement améliorée. N'est-ce pas En tout cas, si on fait l'analyse du point de vue des populations, surtout pour ce qui concerne le, le Niger, on constate qu'il y a eu des attaques récurrentes de Boko Haram, mais parfois des attaques spectaculaires. On voit également que, donc, euh, du fait de ce conflit-là, effectivement, les populations sont déplacées, etc. Bien sûr, la mission de ECAP euh, Sahel, c'est une mission de soutien aux forces. C'est pas sur la situation humanitaire en tant que telle, mais on peut dire que la situation reste grave, y compris sur le plan de la, de la sécurité. Évidemment, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais on voit bien que c'est pas suffisant. Et donc ça montre aussi qu'il y a peut-être euh, un besoin ailleurs que seulement l'aspect du renforcement des forces. Parce que tout ça, ça prend un sens lorsqu'on pense que, c'est-à-dire euh, la réponse à la situation au conflit est une réponse essentiellement militaire de renseignement et, une réponse policière. C'est seulement dans ce sens que des missions comme euh, celle de ECAP ou d'autres vont avoir toutes leur signification. Mais on sait que l'option militaire face aux problèmes auxquels on est confronté a aussi ses propres limites. La limite d'abord c'est que les moyens militaires, il faut aller les chercher ailleurs et c'est pour ça que l'ECAP était là, n'est-ce pas Mais on sait également que bon, si on n'améliore pas la gouvernance et tout ça, c'est-à-dire on ne s'attaque pas en réalité aux causes du problème. Donc, mission ECAP participe de la réponse euh, militaire. Bon, ce n'est normalement qu'un volet de la réponse aux menaces auxquelles nos pays sont confrontés. Même si ce volet marche euh, bien, si les autres volets de la réponse à savoir le volet humanitaire, le volet politique fait appel à la gouvernance, le volet développement. Ces choses-là, si ça ne marche pas, évidemment, on ne verra pas véritablement le résultat. Et donc, euh, moi, je pense que les résultats d'une euh, mission comme ECAP restent des résultats mitigés. et donc, ça montre effectivement combien la réponse militaire sécuritaire reste en fait une réponse qui elle-même est mitigée du point de vue des résultats. Selon vous, Moussa Tiangari, est-ce qu'il faut repenser la mission des Cap Sahel-Niger Normalement, nos pays devraient pouvoir s'en sortir sans peut-être même faire appel à des missions pareilles on devrait pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire avec nos propres moyens, etc., on devrait pouvoir améliorer la formation de nos forces, etc. C'est vrai, peut-être les gens connaissent des choses mieux que nous, mais en fait, nous avons aussi dans nos pays euh, des officiers qui ont étudié dans les, dans les meilleures écoles, etc. Sur la formation, on devrait pouvoir la faire, peut-être même sans avoir besoin d'aller demander une expertise euh, étrangère. Et on sait aussi que euh, dans cette lutte-là contre euh, les différents groupes, c'est pas aussi une question d'armement, parce que quoi qu'on dise, eh on n'a aucun groupe qui a autant de moyens que nos propres armées. Ça, aussi, c'est une réalité. Vous voulez dire que nos pays ont leur propre réalité non, nos pays ont leur propre réalité, mais je veux dire, on dit, bon, c'est une mission qui est venue pour nous assister et renforcer nos capacités. N'est-ce pas Bon, certainement, qu'est-ce qu'on va faire C'est-à-dire, on fait de la formation. On apprend aux gens peut-être des choses qu'ils ne sont pas censés savoir. Mais parfois, quand on regarde, peut-être que les choses que les gens viennent apprendre à nos gens, Peut-être que nous avons des gens dans nos propres pays pour normalement faire les formations à d'autres. Parce que eux, ils ont eu déjà, d'autres ont eu déjà la chance d'aller l'apprendre ailleurs. C'est juste peut-être qu'il faut organiser ça. Parfois, c'est cela. Et j'ai dit, bon, ECAP est là, ils ont essayé de faire, mais le résultat reste mitigé. Vous savez, avant la mission ECAP euh, Sahel, il y avait eu d'autres missions. Un des pays où on a développé les programmes de renforcement des capacités, notamment pour la lutte contre le terrorisme, etc où d'autres pays sont venus dépenser beaucoup d'argent sur le Mali. Le Mali est le pays où les grandes puissances ont dépensé le plus d'argent pour renforcer les capacités de l'armée malienne. C'était le, tous les programmes américains de lutte contre le terrorisme, etc. ont visé. Ce sont des millions de dollars qui ont été dépensés au Mali. Et on a vu que dans la région, l'armée malienne est l'une des premières pratiquement à s'effondrer face aux menaces djihadistes. Qu'est-ce que ça montre Ça montre que le problème n'est peut-être pas là cest à c'est pas le fait de venir faire des formations, c'est pas là, certainement. Il ne suffit pas de former euh, nos officiers, il faut leur apporter euh, de l'appui nécessaire, selon vous Il y a l'appui, la formation fait déjà partie de l'appui. Peut-être, euh, bon, les gens vont dire peut-être qu'il faut leur apporter des armes, etc. Mais c'est pas ça le problème. Si aujourd'hui nos pays sont si fragiles, face aux groupes terroristes, etc. C'est aussi parce que la gouvernance de ces pays, elle est défaillante c'est la façon dont nos pays sont gérés qui fait que des groupes peuvent naître. Vous parlez de la gouvernance démocratique. Oui, on parle de la gouvernance démocratique, la gouvernance politique. Bon, nos pays ne sont pas bien gérés. Voilà pourquoi on est fragile. C'est vrai, on peut dire aussi que bon, même les grandes puissances sont attaquées. Mais on sait aussi pourquoi les grandes puissances sont attaquées. Les grandes puissances sont attaquées à cause de leur politique extérieure, etc., ben, ce groupe-là prennent racine dans nos pays très facilement, prennent euh, de l'ampleur très rapidement, attaquent, etc. Parce que eh l'État est défaillant. Donc, c'est cette défaillance de l'État ce sont ces insuffisances en matière de gouvernance qu'il faut changer. Si on change ça, même sans avoir des missions de renforcement des capacités, même sans avoir plus d'armes, on peut faire face à la situation. Parce que ce n'est pas une question d'armes ni véritablement de formation. Il faut lutter contre la pauvreté, vous voulez dire Bon, il faut lutter contre la pauvreté, il faut un système euh, qui est basé sur la justice, sur le respect des droits, etc. Et avoir euh, des États qui vont avoir une légitimité plus grande aux yeux des citoyens et les citoyens vont se sentir chose. La, plus grande armée face à tout ça, c'est les citoyens eux-mêmes. Hein. C'est ça, c'est l'armée qui est invincible. Hein. Aucun groupe terroriste ne peut vaincre euh, un peuple conscientisé, organisé, qui a des acquis à défendre et qui est mobilisé autour de ça, n'est-ce pas ça, c'est la réalité. D'abord, dans un tel contexte, ces groupes ne pourront peut-être même pas naître, et même s'ils naissent, ils ne pourront pas beaucoup prospérer, faire autant de dégâts c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, on est en train de mettre beaucoup l'accent sur le renforcement des capacités militaires. C'est ça qu'ils sont en train de faire. et puis vous avez vu aussi de l'autre côté hein, une évaluation, par exemple, euh, faite par le, le Sénat français sur euh, pratiquement toute la coopération, tout l'appui dans les pays du Sahel. Et ça vous donne une idée de quel est le succès des missions comme ECAP mais aussi d'autres missions. Hein, euh, telles que Barkhane. Telles que Barkhane, telles que euh, les missions américaines, etc. Globalement, on sait que c'est un échec. Parce que tout ça ne cherche pas à s'attaquer aux causes. On tourne à la périphérie. On fait semblant. Aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un qui a dit, bon, il y a telle mission, il y a telle ceci, cela, bon, ils vont, ils vont te rigoler. Ils vont dire, ah bon, il y a tout ça, et puis voilà, bon rien ne va pas. Voilà, c'est clair qu'il n'y a rien qui peut vraiment aujourd'hui convaincre que tout ça là qu'on est en train de faire, quelqu'un peut dire, bon, si on ne faisait pas aussi, qu'est-ce que ça allait être peut-être Mais en tout cas, même en le faisant, on voit bien qu'on n'a pas le succès qu'on peut attendre, simplement parce qu'il y a d'autres choses en réalité qui sont essentielles mais qui ne se font pas. C'est tout, comme je vous ai dit, toute la réflexion sur comment on peut améliorer la gestion de nos pays, comment on peut améliorer les rapports entre les citoyens et l'État, comment euh, on peut créer des conditions plus favorables pour que les gens puissent vivre dignement, avoir quelque chose dans leur pays, etc., de créer des emplois pour les jeunes, etc. Il y a une vision globale, il y a quelque chose de global à faire. C'est quelque chose de global là. Nos dirigeants ne veulent pas faire parce qu'ils s'en foutent à la limite. Les puissances extérieures ne veulent pas faire parce que ça va leur coûter un peu plus de contributions. Et donc, qu'est-ce que nos dirigeants font et qu'est-ce que les grandes puissances font Tout le monde essaye de faire du bricolage. C'est-à-dire on fait des petites choses, du saupoudrage. On ne veut pas s'attaquer aux causes des problèmes parce qu'on pense que ça va coûter plus cher, ça va demander plus de choses. Et eux, ils ne veulent pas ça. Donc, on fait du coscolima et on espère qu'à force de coscolima, on va venir à bout. Ce n'est pas vrai. Ils vont essayer 1000 coscolima et les problèmes vont demeurer. C'est ça, la vérité. Kengri, on vous remercie. Merci à vous. C'était l'acteur de la société civile nigérienne Moussa Kangari qui s'est prononcé par rapport au bilan à mi-parcours de la mission euh, de l'Union européenne et Cap Sahel Niger. Beaucoup de défaillances dans l'organisation du bac session 2016, en plus d'un sujet hors programme au niveau de l'épreuve de chimie pour la série D. Contre toute attente et contrairement aux années précédentes, cette année, les candidats de la même série n'ont pas bénéficié de ce droit de choisir les épreuves en SVT. Selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Chebou Dambadji, ces désagréments auront inévitablement des graves conséquences conséquences sur les résultats des examens. Chebou Dambaji, bonsoir. Et bonsoir, Mokhtar. Vous êtes euh, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Que peut-on constater dans l'organisation du bac 2016 La première des choses euh, qu'on peut constater, c'est au plan organisationnel. On a remarqué qu'il y avait un flottement au départ des enseignants qui devraient partir au niveau des jurys et aussi au niveau des distributions même des convocations. Ça a pris tellement de temps. C'est comme si c'est la première fois qu'on organisait le bac. Donc ça, c'est le premier couac. Maintenant, au niveau du déroulement du baccalauréat, il faut déplorer le choix de certaines épreuves. Alors, au niveau des sciences physiques, par exemple, les séries D, et moi je suis un enseignant de physique chimie et je tiens une terminale D, on a relevé qu'il y a une partie d'un exercice qui est porté sur des parties qui sont hors programme que nous n'enseignons pas au niveau des lycées. Pour ceux qui connaissent bien la chose, c'est l'exercice numéro 2 de chimie qui est apporté sur une partie qui n'est pas du tout enseignée parce que ce n'est pas au programme. Pour bien comprendre, nous enseignons euh, les sciences physiques, les sciences euh, de la vie et de la terre sur la base d'un programme précis, un référentiel précis. Ce qu'on doit enseigner aux élèves, c'est bien précisé. Or, il se trouve que la partie-là ne figure nulle part dans le programme. Le deuxième quoi, c'est au niveau de l'épreuve de SVT, sciences de la vie et de la terre. Alors, au terme de l'arrêté qui définit les différentes matières, l'épreuve de SVT comporte deux sujets. Donc c'est bien un arrêté. Alors contre toute attente, eh, les élèves sont partis en salle et ils ont trouvé un seul sujet. Même si sur l'entête on a Préciser qu'ils ont le choix et elles n'ont pas eu de choix, ils ont traité un seul sujet. Donc voilà ce à quoi nous avons assisté. Alors, le commentaire qu'on peut faire à ce niveau, c'est que le service du baccalauréat n'a aucune compétence pour euh, revoir les épreuves, quelles qu'elles soient. Les épreuves sont déterminées par arrêté. Et même si on doit le faire, il faut qu'on informe comme les enseignants qui tiennent ces classes-là à que les élèves, avant d'aller en salle, qu'ils soient informés. Donc voilà des difficultés qu'on a relevées. Et vraiment, il faut le dénoncer. Et nous, en tant que syndicat d'enseignants, relevant du secondaire. Nous déplorons cette situation qui ne peut pas s'expliquer. Le baccalauréat, ce n'est pas la première fois que l'organisons. Donc, de là à ce qu'on ait des résultats très minables au niveau de ces séries-là, eh, les choses s'expliqueront aisément. Donc, voilà le commentaire que nous pouvons faire relativement au déroulement du baccalauréat de cette année. Monsieur le secrétaire général Chebou Dambaji, quelles sont les conséquences de tous ces désagréments Mais les conséquences de tous ces désagréments, eh, Mokhtar, vous voyez un élève qui compose sur une matière. Il y a une bonne partie qui n'est pas au programme. Et l'élève, il est parti handicapé. Au lieu de composer, par exemple, sur 20, il va composer sur 16. Parce que l'exercice, là, est sur 6. Donc, il est parti déjà handicapé. Or, il se trouve que pour les candidats de série D, c'est une matière fondamentale, c'est coefficient 5. Et généralement, on sait que les élèves de série D, en physique-chimie, ils comptent plus sur la chimie que sur les sciences physiques. Donc, c'est dire que nos élèves sont partis handicapés au niveau de l'épreuve de physique-chimie. Donc, il faut s'attendre à des résultats qui ne soient pas du tout bons au niveau de la série D et même par le passé. En série D, les résultats ne dépassent jamais 30-35%. Donc c'est dire que cette année, nous allons nous attendre à des résultats en deçà de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Monsieur le CG, à qui la photo de ce désagrément mais le désagrément, il faut le dire, c'est un, scandale. C'est le service du baccalauréat, faut pas s'en cacher. Le baccalauréat est organisé une seule fois l'année. Donc, on peut s'entourer de toutes les précautions, on peut prendre toutes les précautions pour que ces choses-là n'arrivent pas. Vous pouvez expliquer que pour transporter les enseignants, qu'il y ait retard, qu'il y ait quoi, c'est comme transporter. Ça, le commun des Nigériens peut, on lui donne cette mission-là, il peut le faire. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que l'université qui a en charge l'organisation du baccalauréat, qu'elle n'arrive pas à prendre des dispositions pour le faire. Et c'est pour pour cela que nous, nous, nous faisons partie de ceux qui pensons que l'organisation du baccalauréat, telle que ça avait été proposé en son temps, malheureusement, ça a été mal compris. Et comme dans tous les pays de l'UMOA, il faut que l'organisation du baccalauréat revienne à un office qui aura en charge d'organiser le baccalauréat. Et tous les examens, pourquoi pas les examens au concours, comme ça se fait dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Mais vous savez, Mokhtar, nous, on ne se fait pas trop d'illusions parce que c'est une question d'intérêt. Le baccalauréat, c'est du gros sou. C'est plus d'un milliard qui est injecté chaque année au niveau de l'organisation du baccalauréat. Donc, vous expliquez pourquoi eh, on s'agite beaucoup et on ne veut pas que le baccalauréat soit organisé ailleurs. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le baccalauréat soit organisé par un office qui sera équidistant de toutes les universités puisque aujourd'hui nous avons une université. Donc rien n'explique que l'université de Niamey s'accapare la paternité de l'organisation du baccalauréat. Donc l'office peut avoir la compétence pour organiser ce baccalauréat. -là. Nous on dit qu'on reconnaît hein, qu'il revient à l'université. S'il y a un office qui est créé, cet office-là, il sera présidé, il sera dirigé par un enseignant de rang maestral. Comme nous ne contestons pas que les présidents du jury ne soient pas des enseignants de rang maestral, mais les corrections sont faites par les enseignants du secondaire. Donc on ne peut pas nous considérer comme seulement des ouvriers qu'on fait venir à l'occasion du baccalauréat. Nous sommes bel et bien intéressés, concernés par l'organisation du baccalauréat. C'était là le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Chebou Dambadji, qui parle des défaillances de l'organisation du bac 2016. Dernier élément de ce journal, le gouvernement a pris en Conseil des ministres du 29 juin dernier une loi déterminant les modalités d'application des normes techniques pour l'aménagement des pistes de transhumance, couloirs de passage pour les bétails et les aires de repos. Quelle, quelle est l'importance de cette loi Élément de réponse avec Marou Amadou Bello, conseiller technique d'appui à l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Il était au micro de Soumana Amadou. L'État du Niger vient d'enrichir euh, l'arsenal juridique en ce qui concerne euh, la protection de cette catégorie de citoyens qui sont les pasteurs et les éleveurs de notre pays et même de la sous-région. Nous avons euh, plusieurs catégories des aires de pâturage. En plus euh, de la zone pastorale reconnue par la loi de 1961, nous avons des aires de pâturage qui, en zone agricole et ces aires de pâturage connaissent énormément de problèmes. Euh, la pratique agricole dans les aires de pâturage, le rétrécissement des couloirs de passage, voire l'obstruction de, ces couloirs de passage-là. Et pendant même les aménagements, nous avons des zones où il n'est pas facile à ce que euh, un couloir soit aménagé et à la longueur, aux distances euh, requises. Donc c'est pourquoi la, prise de ce décret en Conseil de ministres euh, est une satisfaction. Mais la prise euh, euh, d'une, l'édiction d'une loi, c'est une satisfaction pour nous, mais c'est surtout l'application qui doit nous réjouir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est un pays de loi. Nous avons les meilleures lois au monde, mais nous avons une très mauvaise application de texte dans ce pays. Donc nous, ce qui nous reste à faire en tant qu'organisation pastorale, organisation dont la vocation est la défense des droits des pasteurs, c'est d'amener l'État, les collectivités et les citoyens à appliquer effectivement les lois qui existent en matière de pastoralisme. Et que les citoyens qui, pour qui eh, ce décret a été pris puissent en jouir et qu'ils puissent contrôler l'effectivité euh, de l'application de, de, ce, de, cette loi à travers les arrêtés et, et les décrets sur le terrain. Est-ce que vous avez des mécanismes que vous allez mettre en place pour euh, pouvoir aboutir à tout cela Oui, AREN a un dispositif. Non seulement nous sommes euh, une association, ça veut dire que nous avons une base sociale qui nous permet de suivre sur le terrain ce qui se passe nous avons un, conseiller juridique qui fait des enquêtes à travers euh, le territoire national hein, et, euh, en cas de violation de la loi, nous dénonçons hein, à travers des communiqués de nos structures décentralisées et, même de, la structure centrale. En plus, nous faisons recours aux voies juridiques pour les règlements de beaucoup de questions hein, relatives à la protection et à la sécurisation hein, des espaces pastoraux. en plus, euh, AREN fait aussi de la mobilisation de ressources en ce qui concerne les aménagements de ces ressources-là. Donc, euh, AREN recherche à travers ses partenaires des fonds et nous faisons appel aux structures euh, étatiques euh, habilitées telles que la COFO. La COFO, c'est la, commission foncière. Euh, nous avons un secrétariat permanent au niveau national. Et cette structure étatique est chargée de la sécurisation du foncier rural en général. Et elle a des, des démembrements au niveau du département au niveau de communes euh, avec lesquelles nous travaillons effectivement sur le terrain euh, en appui aux, aux populations euh, vulnérables que sont les pasteurs. Donc, euh, pour nous, euh, autre chose que nous pouvons faire, c'est qu'au niveau des arènes, en dehors de dénonciation et de, de la mobilisation de fonds, de conseils juridiques, de recours, euh, nous avons aussi la possibilité de mobiliser notre base au niveau des différentes communes pour pouvoir influencer les décisions des communes parce que euh, l'élevage constitue quand même euh, le point vital des caisses des communes. Aujourd'hui, toutes les communes qui sont viables, c'est celles qui ont un marché à bétail, et ce marché lui rapporte hebdomadairement des fonds qui permettent à la commune de fonctionner. Nous utilisons aussi ces canaux-là pour pouvoir euh, faire la part des choses entre ce que l'élevage apporte à la commune et ce que la commune doit faire en retour aussi et, au secteur de l'élevage. À ce niveau aussi, nous faisons un très grand plaidoyer et pour que cela soit vraiment euh, un levier pour sécuriser les espaces pastoraux. Et, nous avons aussi un autre plaidoyer que nous sommes en train de faire, c'est de dire que l'élevage n'est pas seulement hein, l'affaire de l'éleveur, c'est l'affaire de toute la communauté nationale, compte tenu de, l'apport économique de, l'élevage au niveau du budget national et au niveau des budgets des collectivités territoriales. L'élevage ne doit plus être vu comme dans l'angle seulement hein, de celui qui pratique effectivement à l'activité. C'est vraiment une activité nationale. Elle doit se, se sécuriser à travers les outils et, nationaux, les outils républicains. L'État étant le garant de, euh, de fonctionnement normal euh, de tout ce qui se fait sur le territoire national, nous pensons que euh, l'État est en train de faire de son mieux et nous aussi, nous bousculons l'État ah, pour qu'il puisse faire plus et que les éleveurs aussi puissent être considérés comme des citoyens à part entière qui contribuent au développement de, ce pays et à qui l'État doit aussi garantir des droits. Est-ce qu'il s'agit d'aménagement de nouveaux couloirs En général, ce sont des pistes euh, ancestrales. Nous avons deux sortes de pistes. Nous avons les pistes euh, euh, que nous appelons communément les couloirs de la CDAO, c'est-à-dire les, pistes qui vont du Mali vers le Nigeria ou du Mali vers les pays côtiers, en passant bien sûr par notre pays. Donc ça, ce sont les couloirs internationaux. Et généralement, communément, on les appelle les couloirs de la CDAO. Nous avons aussi des, des, des segments, des tronçons entre communes, intercommunales, entre départements, entre régions euh, donc, euh, il ne s'agit nullement de nouveaux espaces, mais on peut créer des espaces pastoraux en zone agricole, euh, surtout dans les réserves au niveau des réserves, parce que généralement, ce que nous appelons ici les réserves, ce sont les, les aires de pâturage. En fait, il n'y a pas de réserve en tant que telle. C'est réserve en termes agricoles. Mais la zone agricole, étant donné que nous sommes dans un pays sahélien, dans la zone agricole aussi, on pratique l'élevage. Ce sont les animaux de la zone agricole qui pâturent dans ces réserves-là. Et généralement, ce sont des espaces pastoraux. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aider la COFO à inventorier euh, ces espaces euh, pastoraux et qu'on puisse euh, les aménager, c'est-à-dire mettre des balises, faire des récupérations de terres si le fonds le permet, et de prendre des actes pour pouvoir sécuriser euh, ces espaces-là. Il n'y a pratiquement pas de nouveaux espaces, mais euh, ce n'est pas exclu. Seulement le fait qu'on dise que euh, euh, le pied de l'animal n'est pas une forme de reconnaissance, c'est le coup de hache qui est une, reconnaissance de, l'utilisation du foncier rural. Euh, c'est ce qui fait la différence. Sinon, euh, les zones pastorales sont les premières à être utilisées comme ressources partagées au Niger, avant même les zones agricoles. Quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrées auparavant la première difficulté, elle est liée à ce que nous connaissons tous, c'est l'augmentation euh, très rapide de la population du Niger, ce qui fait peser sur les ressources pastorales hein, vraiment de façon démographique une pression. Et, que la zone agricole, ne pouvant plus contenir le nombre de populations, ils, hein, ils se permettent d'aller créer des champs, des nouveaux champs dans les aires de pâturage. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, elle est naturelle, elle est relative à, la pluie qui aujourd'hui est aléatoire dans la zone sahélienne et cela crée euh, une certaine rareté des ressources. Même si l'espace existe, nous n'avons pas de ressources herbacées et, le fourrage n'est pas suffisant. Les ressources ligneuses ne sont pas suffisantes. Il y a euh, toutes ces difficultés-là. Et même l'hydraulique pastorale, il y a la rarification des mares en zone pastorale. Donc ça, c'est une, difficulté inhérente à notre nature, à notre climat hein, sahélien. Et les autres, la plus grande difficulté, c'est que à un certain moment, les gens prenaient l'élevage comme une affaire des éleveurs, euh, que euh, l'aménagement du territoire, euh, surtout au niveau de collectivités territoriales, les gens n'étaient pas conscients du rôle ou bien refusaient d'accepter le rôle de l'élevage au niveau des communes pour que la commune puisse s'investir pour aménager eh, eh, les espaces pastoraux. C'était là Marou Amadou Bello, conseiller technique d'appui à l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci et au revoir.